amis jeunes et bienvenue sur l'émission Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire destinée à toute la jeunesse nigérienne. Vous le savez déjà, il y a toujours une qui parle beaucoup plus que les autres dans les Fada. C'est moi, Aminyoku Rabia Mekano. Nous sommes à la radio Téboncé, partenaire du studio Kalangu 97.5 MHz à la Fada et qui aikinmu radio Téboncé. muka ci matasan talabari don mu hira da su kusa kan abubuwan da muke ji tashe-tashen hankali a ce muna a ƙauye kaza an yi attack tango-tango an yi kashe mutum 28 muna mu gane wai ne ke faruwa kuma yaya ne matasan suke rayuwa cikin wannan abin ko ba anan ma talabari cikin birnin ba même

Je considère que tu, tu l'enfiles. Nous sommes aussi avec Adamou Morou de la société civile. Adamou, ça Ça va, ça va. Depuis 2017, quand on parle de Tilabéry, on pense juste aux attaques et à l'insécurité qui y règne. Militarisation de la région, que de bouleversements qui ont bousculé le quotidien de la population. Donc on profite de cette fada pour en savoir plus sur cette situation à la radio à cikin talabijin duka muna jan abubuwa da yawa irin hari a wannan ƙauye ko an hari a wannan mais réellement Jibrila qu'est-ce qui se passe bon, à mon humble avis mhm. c'est comme vous le disiez tout de suite quand vous venez vous voyez des militaires dans des véhicules euh, bon quand vous n'avez pas l'habitude ça vous a surpris euh, euh, nous on peut dire qu'on a l'habitude de voir les militaires ils viennent de la brousse ou bien ils veulent y aller de la brousse. Hmm. Il ne faut pas que les gens interprètent les informations qu'ils auront. Je peux vous dire qu'à Tilaberi, l'insécurité, à Tilaberi ville, euh, on l'entend. Mais hmm. dans la région, ça existe to eh, là eh, ce que je voudrais que les gens fassent comme euh, différence mhm. Tilaberi a trois échelons quand je dis trois trois échelons je parle du nom Tilaberi la région s'appelle Tilaberi il y a mhm. un département qui s'appelle Tilaberi il y a une commune qui s'appelle Tilaberi aujourd'hui quand les gens entendent Tilaberi on ne cherche pas à savoir c'est dans la région c'est exactement où des fois c'est des départements qui n'ont même pas qui ont autre nom quand on prend une atteste, c'est un département Mm. Est-ce que vous voyez À Tilabériville, à ce que je veux vous dire, il n'y a pas d'insécurité à Tilabériville. La commune de Tilabériville ne connaît aucune insécurité. Les gens ont voulu nous instaurer des mesures de, de l'état d'urgence suite juste à un incident euh, qui s'est passé euh, au niveau du poste de front, euh, ah, à la barrière là, en mm. sortant vers Aïe. C'est en 2019. C'est en 2019, mais c'est le début, je ne sais pas, c'est janvier, février comme ça. C'est la seule chose qu'on a connue. Mais maintenant, quand on parle de, l'insécurité, moi tout récemment, dans ce mois même, j'avais conduit une enquête sur l'accès de, des humanitaires dans les zones d'insécurité. Mhm. Et il y a certaines villes, certains départements, certaines communes qui ne connaissent pas l'insécurité, mais on englobe Tilaberi, on dit Tilaberi. Aujourd'hui, quand tu vas à, à Walam commune, voilà comme il ne connaît aucune insécurité. Mais mm. aujourd'hui, on a créé la psychose, surtout pour ceux qui sont ailleurs. Quand on entend Tilaberi ou on entend Walam, tu vas penser que quand il y vas, dans les deux heures qui suivent, tu vas mourir. Alors que ce n'est pas ça. là. ah. aiki tare da masu kabu-kabu da su shofar za ka ta fuskan wannan magana to wallahi ban da magana zan ca sai dai in ce tashin hankali da aka ca inna mm. wanda farar ina umar ya haɗi cikin faransa inna mm. tashin hankali in ana jin shi ana ca tilberi akwai tashin hankali akwai matsala da yawa ba cikin tilberi ba ko mm. tilberi ba cikin tilberi ma ba wani waje ne Hmm. ko ne ba kullum bane wa'ansu banduka da ne kawai su tashi su yi wani ishin kuma su haka su zo su ba su kashe mutane su amshi kudin su su tsere problem inda da koyi kenan kenan in kana nan baka shin shi in kana nan tilaberi baka shin shi kana tilaberi baka shin shi okay ko ne kamar masu kabu kabu matsalan masu kabu kabu yanzu kamar ka dauki kilin haka ka da shi cikin daji ana iya atake inka hmm. cikin daji problem inda masu kabu kabu suke iya samu kenan vous, vous, sortez, vous allez à la rencontre de ces jeunes dans les départements, dans les villages. Quel impact de cette situation sur les jeunes Par rapport à l'impact, d'abord avant de, parler de l'impact de l'insécurité sur les jeunes, il mhm. faudrait aussi euh, se demander qu'est-ce qui est à la base de cette insécurité dans certaines zones. Dans certaines zones, c'est le désœuvrement. Il faudrait se le dire. C'est le manque de travail. Nous avons dans certaines zones, je prends l'exemple de de la commune de Tondichimini, quand tu vas voir, tu vas trouver beaucoup de ressortissants qui se sont fait enrôler parce qu'ils n'ont pas d'activité et on leur propose des gains faciles, ils sont rentrés. Mais maintenant, l'autre aspect, les honnêtes jeunes qui sont là, qui acceptent vraiment ce désœuvrement-là, mais maintenant, ils sont bloqués. Quand tu prends ou des fois en cette saison de hivernale où on vous empêche de travailler votre terre, mais c'est un problème. Mais c'est les ah, mesures, les mesures militaires, les mesures sécuritaires. Oui, parce que oui parce qu'il faudrait qu'on euh, les mesures de, l'état de l'état d'échéance de fois constituent plus d'insécurité à la population que l'insécurité elle-même. Elle-même. Est-ce que tu vois? Mm-hmm. Aujourd'hui, quand on prend euh, où les motos ne circulent même pas de jour comme de nuit, où on sait que les petits commerçants là, il faut les marchés sur, les motos. Est-ce que vous voyez mm. Donc, eux, c'est un handicap pour eux. Certains étaient obligés d'abandonner carrément leur activité parce qu'ils étaient ruinés. Ils sont ruinés parce que c'est ça aussi les enjeux des de, mesures de l'insécurité par rapport à, à cette question d'insécurité. De façon générale, il faut reconnaître que les jeunes, que ce soit les jeunes, les enfants, en pâtissent. Parce que quand je parle d'enfants aussi, nous avons des écoles qui sont même fermées dans la région. Oui, Soumaïla, quand j'ai abonné Omar Yeti. Wallahi, haka tu shi. Hmm. Tunda akwai wasu guruka da ko zuwa tilaberi bisa moto suke yi shi. Hmm. An ce an hana ka hau bisa moto, don an kama ka matsala. Hmm. Tunda ba duka gari ne ke suna suna samun kamar a ce gari wanga shi da mota kana eh, samun gari eh irin wannan mota kasuwa ma babu eh, eh. babu ko ne hanya in ba ta yi yanzu in ka tashi daga nan tilaberi zaka ta wajen walam ko nan zuwa mari problem ne babu hanya mota ba ta yi wuce hmm. ko ne a ce mutane ba su hitowa daga wajen ko wani zon da moto an hana ya yi sirkile baya ba a ma hitowa ko da rana ma ko da rana ko na hmm? ba ka da inzini ka ɗauki moto ka yawo shi cikin hmm. daji akwai wani zon da an gane ka problem ne akwai matasa tare da mu a cikin wannan fadar tamu akwai wanda ya so ya wani ƙauye aka hana shi ka hana shi a cikin kuna ça va ça va vous allez bien tu t'appelles moi je réponds au nom de Moussa Mamoun Mohamedou on voudrait bien savoir. Ça t'est déjà arrivé Tu as vécu, vécu ça dans tes déplacements Exactement, c'est comme ils sont en train de le dire. Hmm. Moi, récemment, courant le mois de mai, j'avais effectué une mission dans le département de Terra et le département de Bankilare. Euh, une fois à Bankilare, euh, je me suis présenté aux autorités locales et je leur ai dit que j'ai au moins cinq villages à sillonner. Tu es de la société civile, Je suis de la société civile, donc je suis le coordonnateur euh, régional de, du mouvement Tournons la page. Et je suis membre de, du cadre de concertation et d'action citoyenne des organisations de la société civile nigérienne indépendante de Tilaberi. Donc vous voyez, et aussitôt d'office, euh, le préfet me dit que en tout cas c'est interdit, je ne pouvais pas y aller. Donc vous voyez, le maire, la même chose. Et pourtant j'avais également euh, approcher la communauté, la population, certaines. En tout cas, ils m'ont confirmé que euh, le déplacement est garanti. Je peux y aller et revenir. Vous voyez Donc, c'est aussi la psychose. On est en train de, nourrir cette insécurité surtout sur les médias. Comme vous l'avez dit, certains sont à dans les radios, dans les télévisions. On dit que ah, dès qu'on dit Tilaberi, c'est vraiment l'enfer. Euh, précisément, il y, il y avait le village de Petelkoli Hmm. un village qui a été attaqué. Donc la police, euh, la barrière policière, c'était sur la frontière euh, nigéro-burkinabé. Oui. Également, il y avait eu une attaque un certain temps pour, à la, au poste de police. Mais j'ai été là-bas, j'avais pris euh, une moto parce que la journée, les motos n'étaient pas interdites concrètement, mais il y a des heures de restriction. J'ai fait mon activité, j'ai fait ma sensibilisation. Et les populations étaient aussi inquiètes Parce qu'ils disent que chaque fois c'est comme ça. Quand les jeunes devront venir, leur font des sensibilisations ou leur donner des apports, des appuis techniques, au niveau des autorités locales, on dit non, c'est une zone interdite, il ne faut pas y aller. Donc, vous voyez, ça crée encore la frustration. Et ça va encore les motiver de leur on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de sécurité, mais cette insécurité est surtout euh, plus euh, intercommunautaire. Mhm. les des écoles sont fermées des enseignants ont été menacés de quitter la zone to on andu musa cikin wasu ƙauyukan mutanen ƙauyukan 'yan garin suna son ma su tesi kasuwancin su ko su tesi da su sai a hana musu amma sai a hana kuma kai kuma mutane ba su iya taya su gane su kuma su ba su iya hitarwa kuma ba a nan ga gane musu ma paske in ka shi kiwo ka zo ka kuka kake wallahi ni ga masalata sai a ce a karya ne hmm. dok wannan ma sai dole sai ka jar ba ka ce to tunda dai an hana ni kuka an hana aiki kun ba a tanye ni aiki ko wani abu dole sai in tashi ni ma kawai in abun da na N'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp pour réagir et recevoir nos contenus en envoyant jeune au 80 06 88 54 kuna iya samun shirye-shirye mu bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 06 88 54 kun sama da yaro ko. La région, il faut pas oublier, les précisément le quartier de Sifo ah, ah, pour ça, je Donc, tout ça là-bas, c'est aussi de la bonne musique. Euh, on se retrouve juste après Unité Nationale de Maliaro. dançar. avec les jeunes de Tilaberi. Nous parlons des conditions de vie des jeunes de la région en cette période de crise. Depuis un moment déjà, leur quotidien est bouleversé par la situation sécuritaire instable dans la région. Et pour en parler, nous avons avec nous Adamou Omarou Mama de la société civile, le de la JCI, Salifou, un jeune, Omaru. Euh, Omarou. Impact de éducation. Impact la On a une idée sur euh, l'ampleur Oui, bon, l'ampleur, moi je voulais les chiffres, mais à un moment, je sais que nous avons presque 40 écoles fermées dans la région. dans toute la région. Oui, dans toute la région, oui, hmm. qui sont fermées. Et en dehors de ça, tel qu'il a dit, des fois nous avons eu des déplacés. Quand je vous prends des villages qui ont eu à se déplacer, les enfants, là, lorsqu'ils vont se retrouver, des fois, il n'y a pas l'école, ou bien eh, la zone dans laquelle ils vont se retrouver, hmm. les classes ne peuvent pas les, accueillir euh, tous. Des fois, il faudrait qu'on crée même des, des, écoles d'urgence pour eux. Mais l'un dans l'autre, euh, d'autres abandonnent même profite avec ce déplacement pour, euh, abandonner. Voilà, et ce n'est pas seulement dans l'éducation, les impacts, ça c'est partout. Quand tu prends au niveau de la santé, Là où on interdit la circulation des motos, de jour comme de nuit, il n'y a pas des évacuations nocturnes. Et deux fois même pendant la journée, ce n'est pas à tout moment que tu peux avoir un véhicule pour bah faire les évacuations. Hmm. Ce qui a fait remonter les indicateurs négatifs de la santé. Aujourd'hui, on va voir le taux de telle maladie qui a causé de la mort parce que les gens n'arrivent pas à accéder aux centres de santé. Tous ces centres-là, c'est vrai, on a eu des fois où des gens ont abandonné leur, euh, leur, poste parce que quelque part, ils ont raison. Nous avons dans la région des mères qui n'arrivent pas, qui ont fait déplacer leur, leur famille. est Et économiquement, nous avons des marchés qui sont fermés. Nous avons des, dans, la commune même de, de, de, dans la commune de d'Abala et je crois de Sanam, des, marchés ont été fermés. Donc, euh, euh, ça veut dire que l'économie empathie. Ouais. Et même au niveau social, socialement aujourd'hui, si tu as un parent qui vit dans, une, dans un village euh, à réputé insécuritaire, je ne vais pas lui rendre visite. Donc, vous voyez, c'est un peu partout l'insécurité hein, touche. Mais je voudrais profiter, tel qu'il l'a dit, et il y a certes les, euh, les causes de l'insécurité, c'est il y a les communautés, les conflits entre communautés, mais il ne faudrait pas aussi oublier le terrorisme qui est là. comment abubuwa da suke faruwa da abin ba daɗi ƙauyukan an liƙe likitocin da ake tahiya a gani baka iya hucewa da moto da dare baka iya tahiya kol lakwal wajen arba'in aka liƙe to kenan yanzu an yi haka dole wasu su taso su bar ƙauyukan su zo kuma in suka zo wurin hallo inda za su zuwa hallo ba ko ina bane ke da lakwal kin da za a kawo wannan yaran kenan wasu yaran sai su bar karatu kwata kwata su je su nemi abin da za su yi kuma cikin wannan abin da za su yi kuma hallo akwai aikin ta'addanci la situation sécuritaire de la région vous amène forcément à cohabiter avec les forces de l'ordre kamar an kake nan gayi da sun ga jibrila wannan eh, tsaro da suke tare da ku ba kowa bane ne ya gane aikin su ku kuma kuna nan ga aiki cikin strukturkin ku don kawo su su gane ma juna da su da su da matasan garin Mmh. Ce qu'on fait pour le moment, c'est d'essayer de voir les différents points sensibles mm. que la population, euh, qui fait que la population ait un mauvais regard envers les, les, autorités ou bien envers, envers les policiers, c'est d'avoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui leur pousse à, à penser de cette façon de la police et qu'est-ce qui fait que la police leur donne l'occasion de penser euh, certaines choses mm, à, oui. Mm bayan a rol makin sai vrai wasu wannan tashi hankalin yasa sun zama masu mayan ta'adda tunda an hana su aiki an hana su zuwa lakol ga sanan suna zama ba su aikin komi quelle alternative kuma suka samu en dehors de la rol quelque chose de positif quoi Umaru eh, mais merci euh, euh, <coughs> l'alternative qu'ils ont trouvé mhm. euh, c'est c'est l'exode dans certaines zones kenan tahiya su tahiya suke su ta yi wani wuri inda akwai kwanciyar hankali su samu aiki da suna yi eh, mais maintenant aujourd'hui avec eh, la situation des premiers qui se sont fait en relais d'autres hésitent. Parce que quand tu vas, le jour où tu décides de quitter, on te tue. Même si tu viens à la maison, on te cherche, on te tue, tu es obligé de quitter. Et ça, c'est la première des choses. L'autre aspect, peut-être, je ne sais pas, il faudrait comprendre qu'il y a une faille dans la politique de l'État en matière de, l'emploi de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le stylo qui donne le boulot, ce n'est pas seulement le stylo qui fait le boulot. Il y a beaucoup de travail qu'on peut bien organiser dans les campagnes, que nos jeunes peuvent faire, mais ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas dotés à au moins bah, avec le minimum, le minimum de base pour euh, qu'ils puissent euh, faire les activités propres à eux. Donc, moi, je vois que pour l'instant... Là, c'est la question même de l'accompagnement C'est la question de l'accompagnement qui manque. Vous savez que Tilaberi est une des régions majoritairement jeunes, mais malheureusement euh, aussi qui a un grand taux de, de, de, chômage. C'est ça le, problème. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, tout ce que nous faisons, nous, c'est la sensibilisation. Euh, nous sensibilisons l'État et nous faisons le lobbying et nous sensibilisons les jeunes, les parents et nous faisons le lobbying au niveau de l'État pour que l'État puisse avoir un nez regardant par rapport à leur, situation. Et, prendre en compte leurs besoins. Et prendre en compte leurs besoins, malgré que oui. Bah, oui, malgré qu'on doit aussi être objectif, parce que moi, en tant qu'acteur de la société civile, j'ai toujours fait comprendre que l'État ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde. Il faudrait que nous fassions appel à notre génie créateur pour avoir nous aussi notre propre activité pour euh, continuer. Parce que des fois, c'est aussi un des problèmes de nos jeunes on veut euh, croiser les bras, attendre que quelqu'un t'amène. On ne peut jamais, on ne veut pas se lever pour euh, chercher. Mm. Et ça aussi, nous le sensibilisons qu'il faudrait que chacun fasse preuve de créativité pour que euh, qu'on puisse sortir de cette situation. Au niveau de la DCI, il y a un pour, que, pour ne pas que ces jeunes-là se laissent engloutir par cette situation. ça, mm, mm, De temps à autre, on, nous, on programme des formations sur l'entrepreneuriat. Hmm. Parce que euh, le temps ne peut pas donner du boulot à tous les diplômés. Donc maintenant, il faut qu'on crée un jeune entrepreneur. Il peut embaucher certains jeunes, certains jeunes aussi. Et ça, c'est, il porte sa, pierre à l'édifice. Hmm. Donc, euh, moi, je me dis que vraiment, il faut qu'on sorte de cette, euh, il faut qu'on sorte de cet aspect que je vais, ah, qu'on essaie d'innover nous, la jeunesse. Hmm. Parce que franchement, euh, ceux qui en payent le prix, c'est la jeunesse. Jeunesse c'est kace innover, jeunesse qui ne suke qu'une zone en crise. Ba a peut-être innover tout de suite à ce des solutions ko su créer entreprise. To a jeunesse Mais écoutez, quand on dit la crise, la crise n'est pas permanente. Et même les attaques que vous entendez là, c'est peut-être, on va prendre euh, dans trois mois, c'est une seule fois. Ou bien six hmm. mois, une seule fois. Mais <laughs> pendant ce, pendant ce mois où il n'y a pas de crise, là, qu'est-ce que tu fais ah ouais, Qu'est-ce que la personne fait Voilà aussi la question. Quoi. Parce qu'on est focalisé sur... C'est comme si on attend quelqu'un qui va venir nous, nous libérer. <laughs> bisa kan wannan zancen matasa da suke ci a ah, garin mu ana tashi hankali mu ba mu komi kasuwanci an hana mu a ganin ka kasan inda kasan inda wasu matasa suke kisa short kamen malgresa a'a to kisan kowane da wannan ra'ayin shi dama su akwai su jan da ba su son aiki dama akwai su ko suna son aikin suna yin shi ko don ba kowa bane yake cewa don saboda in security ka baka so kai aiki ko wani abu a baka da Voilà, tout doucement, on va glisser vers la fin de cette émission. Mais d'abord, un autre tour en musique. On se retrouve euh, juste après Africa de Sautisol et Yemi Aladei. Africa de Sotisol et la Aladei, euh, comme ils le disent dans cette chanson, euh, Babu, Inde Higida, Ingida da Dadi, Inde Dachi, Umma Babu Dadi, Babu Inde Higidanku, Babu Inde Higaranku. To yanzu muna tare da matasan Tilaberi, donc Omaru, euh, Mamar, kana iya gaya muna selon toi, Mine matasa suke yi pour que ce gagne que wannan gidan ba dan wai wani wuri babu daɗi ko akwai ɗaci ya kamata a bar shi mine ne kamata eh, a ganin ka ce que je voudrais dire mhm. aujourd'hui s'il y a même un paradis sur euh, cette terre, mm. quel qu'en soit le temps que tu vas passer dans ce paradis, un jour tu auras besoin de retourner chez toi. Mm. Ok C'est ça et par rapport à cette chanson. Ce que j'ai dit, et nous devrons prendre conscience. Les jeunes devront être sensibilisés pour qu'on puisse comprendre les choses. Et de l'autre côté de l'État, il y a deux choses d'abord à faire. La première des choses, c'est alléger les mesures de l'état d'urgence. Parce que tant qu'il n'y a pas de mobilité, il ne peut pas avoir d'activité économique. Les activités économiques hein, sont liées à la mobilité. La deuxième des choses, on sait que l'État n'a pas les moyens. Mais l'État peut faire au moins le minimum pour soutenir les jeunes, peut créer des emplois. Moi, j'ai vu, on a commencé à créer des centres d'apprentissage des métiers. Et quand on fait la menuiserie bois, la menuiserie métallique, on peut l'étaler dans ces zones-là. Mais si l'État dit non, il y a l'insécurité, l'insécurité, on va beau injecter dans l'armement, si les ressources humaines là ne sont pas maîtrisées, on ne peut pas finir. Mais qui, est, qui, qui s'enrôle si les, groupes-là n'arrivent pas à, pas à avoir des gens, des ressources humaines, mais de, facto, l'insécurité va finir. Donc, il faut jouer sur cette ressource humaine pour qu'on puisse la mobiliser, pour qu'on puisse la maîtriser, qu'elle n'accepte pas cette ressource humaine, qu'elle n'accepte pas de se faire enrôler dans les, réseaux mafieux. Ouais. su zamana a gidan wannan ta samu abin da suka yi suka tunda a pray gidan ne kuma zai koma baya to a samu gida ya ci gaba ya ne za a yi to yanzu dai da ya ce in nan ne eh, da kama je kwalin da an ka buɗa ma jan in nan mm. suna daga aiki shi ma sai in gwani ide akwai musu aikin tunda wanda ya hitila kwal kamar sam da haka mai naga aikin komi don in ya samu inu ya eh, kwalan ka ɗauke shi eh wata ran shi na iya kan shi ya hannu kan shi ya hannu mutane ko ne mm. Hmm. Eh. bon moi je pense que euh, pour aider la jeunesse présentement il faut les sensibiliser d'abord parce que il faut que la jeunesse prenne conscience de ce qui se passe de ce qui se déroule présentement d'accord hmm. une fois sensibilisée euh, j'aimerais ajouter autre chose encore parce qu'il ne faut pas que l'aide du gouvernement s'arrête seulement aux grandes villes, peut-être à ville. Non, c'est les alentours qui sont plus touchés. C'est la jeunesse de des alentours qui sont plus touchés. Parce que si tu veux comprendre euh, le problème, c'est le manque d'éducation en fait. Hmm. Parce que moi, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut venir me voir et de me dire euh, il va me payer telle chose, d'aller tuer mon prochain. Ça se fait pas. Bah, hein. tu commences et t'arrêtes net. C'est comme ça. Et même si, même s'il y a d'autres personnes qui disent qu'ils ont leur méthode, moi je me dis que c'est le aider la jeunesse, il faut qu'ils commencent par les, endroits les plus reculés, là où vraiment, là où vraiment le besoin se fait sentir. Nous sommes euh, avec les gens de Tilaberi, nous parlons avec eux de leur situation, donc Place à présent la chronique d'Olivier avant de se dire bye bye. Actualité, bon conseil, c'est dans la chronique. Ce samedi, on va parler de la rentrée scolaire et du 28 septembre. Ce 28 septembre, toute l'équipe de Tous à la Fada vous invite au CCFN Jean Rouge de Niamey pour un enregistrement public de notre émission Tous à la Fada. Si vous êtes à Niamey, ne ratez pas cette soirée, toute l'équipe sera là. Je serai là, Rabi sera là, Rukaya sera là, tous les animateurs et journalistes de Studio Kalangou vous donnent rendez-vous ce samedi à partir de 19h. Et pour agrémenter cette soirée, il y aura de la bonne musique avec des artistes locaux invités. septembre 2019. Après deux mois de vacances, plusieurs milliers d'élèves des premiers et deuxièmes degrés vont reprendre le chemin de l'école pour la rentrée scolaire 2019-2020. Et oui, partout sur le territoire national, dans les cours des écoles, ça sera des lieux de retrouvailles entre les anciens, sourire aux lèvres pour les nouveaux venus dans leur uniforme flambant neuf avec des visages interrogatifs. Pour cette première journée, le corps enseignant est en ébullition, confronté aux habituelles difficultés d'une rentrée. Pendant que l'administration s'évertue à étudier les demandes d'inscription tardives, les enseignants tentent vainement de faire régner la discipline dans les salles de classe. Pour donner le ton et souhaiter une bonne rentrée scolaire aux amis lycéens, nous vous proposons cette poésie. C'est la fin des belles vacances. C'est l'école qui recommence. Les jours de fête sont finis. Adieu beau jour. Filles et garçons, pas de tristesse. Vite au travail et sans paresse. À l'école, on s'amuse aussi et l'on revoit tous ses amis. La rentrée est unique sur toute l'étendue du territoire nigérien, mais les problèmes subsistent toujours. Enseignants, élèves, bonne rentrée à tous en compagnie des programmes du studio Kalangu. Merci à tous, c'est la fin de cette chronique. C'est grâce à Seni Issa que ça a été réalisé. Bye bye, à demain. Nous sommes à la fin de tout ça la fada, Nous étions avec les jeunes de Tilaberi, donc avec eux, mun zance ba sakan kuma an dalgai tashin hankalin da ake nan gai cikin jihar su sun kwatanta mana ke wuri wuri ne wannan tashin hankalin ba ko ina bane amma inda ake yin shi ma hallo kuma ba kullum bane ake yin shi kuma matasan wannan suna son taimako suna son a yi yaƙi bisa wannan jahilcin nasu wannan matasan sun ware tahiya su ma sun shiga cikin 'yan ta'addan kuma abin da yasa suke shiga cikin wannan ta'addan rashin aiki ne da kuma jahilci kuma su ma nan ga suna bakin kokarin su matasan jihar Tilaberi don su kama ma wannan matasan Mikiharwa. Voilà, donc merci à nos amis de Tilaberi et à nos invités. C'est mon J'espère que mon c'est chaud. Donc demain, vous serez avec mon binôme Dondi qui va vous parler des initiatives de jeunes de Tilaberi pour lutter contre la désertification. N'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 à 54 pour participer à nos émissions et recevoir nos contenus. Car tamanin sifili shida tamar takwas hamsin da hudu sai mun kara haduwa a tilaberi kun yi abitan mu 18 december mu zo hmm. ça sera plus chaud eh, parce que franchement yanzu yanzu c'est pas chaud eh, on va vous évager même des hippopotames hein? ça c'est le complice